maa ngi nuyu maire ñi fi teew yépp di leen gërëm di leen sant di nuyu invité docteur Cheikh Kanté yi fi teew muy ministre muy député ak képp ku fi teew tey rek répondre à l'invitation du docteur Cheikh Kanté ñu ngi lay nuyu di la sant ndaje bi nag pour ngeen comprendre dañoo jàppoon ne dañuy def conférence de presse ba nga avez maire yi président conseil bi quelques responsables dong koy def leadership bi docteur Cheikh Karte incarné Moi, tax affaire bi xaw vous avez dayo ndax vous ko rek nous ngaa retrouvons avec tous les acteurs chef de village imams, imam traditionnels, chef traditionnel chef de quartier responsable politique donc ñu ngi du di gërëm ci qui sant ci seen cofeel boobu ñu wane ci docteur Cheikh Kane lii nag bettuñu jëloon parole ci campagne bi on a le meilleur candidat au poste de conseil départemental monsieur Diallo nga ah. mais comme Fatick la ñu nekk rek D'abord, on, a le meilleur candidat au conseil départemental. Nous avons les meilleurs candidats au niveau des conseils départementaux de la région. Et cela s'est démontré dans le résultat Sur 40 communes, on a perdu qu'une seule commune, la commune de Passy, soit un taux supérieur à 98% c'est la pertinence du choix du président, c'est la qualité de notre président, c'est la qualité de nos candidats. ñaareelu mbir bi li département de Fatick pour la première fois autour du leader choisi par le président on retrouve tous les maires on retrouve les députés on retrouve les hauts conseils, on retrouve les responsables politiques, on retrouve tous les acteurs politiques. Ça, c'est la première fois que ça se passe dans le département C'est pour cette raison, monsieur le ministre, je vous félicité, je le sens, c'est ce leadership. ndax yaa ko les maires ne maire yi mais nak li nga leen won motax ñu Félicitations, monsieur le ministre. Avec cette mobilisation, avec l'élan unitaire, vous nous retrouvez. Il n'y aura plus de combat à faire. Puisque nous sommes xelu président dina dal a am résultat ya nga important et euh, résultat donc merci monsieur le ministre content à nous ni ngay manager la coalition nous ngay manager les élus pour nous retrouver une élan solitaire ba nga président vous avez atteint vous avez atteint l'objectif que le président a toujours fixé pour le département de fatigue, c'est-à-dire de faire une dynamique unitaire Nous vous encore témoigner en tant que maire li ci des nag ma veux ko ci monsieur le ministre ñun sommes ñu yem La dynamique bii juddu ci rencontre la dynamique B, dañ koy maintenir jusqu'au mois de juin jusqu'aux élections législatives noppaluwuñu nelewuñu même dynamique puisque nous voulons donner au président de la République 98% aux élections législatives. Et dynamique bi suñ ko continuer am ñu je pense que le département de Fatih doit être aujourd'hui fier de son leader et de ses leaders au niveau des communes Légui je pense que la base arrière du président de la République, qui est le département de Fatigue, est une base qui a été définitivement sécurisée grâce à votre leadership et grâce à l'adhésion que les maires ont apportée à votre appel. Oui, les maires, oui. Les maires ont répondu massivement à votre appel, à l'appel du président. Donc la base arrière du président de la République a massivement et est définitivement sécurisée. Si vous le permettez, Monsieur le ministre, je voulais aussi remercier les femmes du département de France. Les femmes ont été exceptionnelles dans la mobilisation. Elles ont été partout, matin, midi et soir. Et vous avez assuré la victoire. Et je voulais vous remercier au nom des maires. Les maïs, monsieur le ministre tes maires et dañ lay féliciter ni ñu jàppale ci suñu biir commune ba suñu victoire mën a yaatu su ma ko waxee te joxuma ci firnde dañuy foog ne diplomatie lay def amul maire boo appuyewul sur le plan financier pour renforcer son fonds de campagne amul maire boo joxul moulin pour renforcer sa son leadership mais surtout amul maire pour indiwul sa caravane extraordinaire renforcer sa crédibilité nous avons ko sur les points les plus faibles de sa commune. Moi, continuer sax ci qui ci financement qui ci donc nous vous le devons et on vous remercie pour votre appui. vous avez largement contribué à notre victoire. c'est ça que je voulais dire au nom des maires di gërëm du di du ñëpp di féliciter li le point dong la lii rek les maires qui ont été élus et les maires qui n'ont pas été élus se retrouvent ensemble dans un même lieu autour d'un seul homme pour dire que nous sommes tous prêts à travailler ensemble